Il y a bien de femmes qui peuvent être de nature grosse, mais qui ne savent pas comment le devenir. C'est la raison pour laquelle nous organisons chaque année ce concours du gavage. C'est moi-même qui suis leur présidente qui part en brousse chercher les différentes plantes que je prépare et leur distribue. On appelle ça tontorba. Avant, nous aussi, on prenait des médicaments pour se gaver. Mais lorsqu'on a compris que c'est dangereux pour la santé, on a préféré s'en tenir à la méthode traditionnelle.